c'est avec cette voix mélodieuse que le jeune artiste nigérien natif d'Ottawa, Oloradik Premier, a fait son apparition sur le podium des théâtre de plein air de l'Alliance française d'Agadez. Les publics émerveillés et sortis massivement soutenir leur idole. Très ému, le jeune rappeur nigérien radique Premier a beaucoup aimé Agadez. Non mais sincèrement moi je qualifie euh, Agadez l'une des régions les plus chaudes là où je suis passé. Sincèrement le public était là et euh, c'était un plaisir quoi. Je crois que les gens qui ont initié ça, d'abord je vais les encourager, leur dire big up et euh, je les encourage dans les initiatives comme ça. On a toujours besoin des trucs comme ça pour que. Oui, moi je pense que l'humanitaire, c'est toujours bien de participer d'une manière ou d'une autre, si ce soit direct ou indirect, c'est toujours bien. Malgré les coûts de tickets d'entrée à 2000 francs et 5000 francs pour les VIP, le lieu des spectacles était plein et le public d'Agadez, composé surtout de jeunes, était satisfait. Écoutons les avis. Vraiment, c'est une grande réussite. On ne s'attendait même pas surtout à la mobilisation du public. On les remercie. Elles ont été très géniales. C'est un grand cadre d'échanges et de rencontres. Je n'ai même pas de mots à dire, franchement, parce qu'on ne s'attendait pas à l'ambiance. Mais... Bon, le concert est magnifique euh, et la population s'est présentée massivement pour suivre le concert. Et vraiment, chapeau à la jeunesse, surtout la commune, qui a pu faire déplacer l'artiste pour venir faire ce, concert caritatif. À travers ce concert, le conseil communal des jeunes a atteint son objectif et promet que la recette sera utilisée pour aider les centres mères et enfants d'Agadez. Écoutons Wadel Boubacar, président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez. C'est un conseil humanitaire. La recette de ce concert, c'est un don que le conseil communal va essayer de payer pour les centres hospitaliers mères et l'enfant. Et c'est donc, Inch'Allah, le 13 mai, comme c'est la journée de la femme nigérienne, le du conseil communal de la jeunesse avec les autorités de la commune. On va partir pour essayer de remettre ce don au niveau de ces centres. Cette œuvre caritative initiée par le conseil communal des jeunes d'Agadez est un signal fort pour les autres jeunes des régions du Niger afin qu'ils puissent emboîter les pas à leurs camarades. Moussa Maman, depuis Agadez, pour les studios Kalango.